indi ay transhumance mo bi commencé hmm. la transhumance moy lan joggé fu waw dem fo xamné amna euh ñax bu ñax bu hmm. plus jamais ça bi may hmm. si on si on tape pas sur la table ki off nak pour ñun la ki off nak pour ñun la kan la top ci ci la ah d'accord OFNAC bi mu créé mom ba mu ne pour ñun la. kan la ci top ça veut dire quoi mom su jëloo ses responsabilités baña tek teg ku dëm hmm. ci yenn dossier yi. il n'aura rien à traiter. max la ñan lay traiter hmm. ñi nga xamné ils ont agi fin mandat wu mais tey ni le fait de n'avoir pas préservé et sauvegardé les intérêts du pays ba nga yaakaar ne xaalis bi sa xaalis la mo indi tay ñi ñu warona top Il y a de cela des années ñu ngi leen di top tay et lan lay permettre le plus jamais ça ça veut dire quoi si aujourd'hui on crée un tentamar, ñu créer ben bruit ben chow, ba ñu arrêter réduction des comptes bi ça veut dire quoi un acteur du du parti Pastef peut dire ben chow li moy bëri rek je peux dilapider les biens de mon pays, mais si le, pouvoir change, on va mes financer pour ñi may waxal ba li arrêter ça veut dire quoi et je sais que vous êtes d'accord que nul n'a le droit de mal gérer les deniers publics et lolo, je pense que définir dès c'est le fait que man lan mo tax mané damay dugg ci politique bi carrément et à fond ça veut dire quoi euh ñiñu tuddee les bandes d'impotiers ñun sénégalais yi dañ doon ragal a fay parce que lan dañ japp né suñu fayé suñu impôt gis nañ li xew les détournements les surfacturations gis nañ ne suñuy impôt why why why demul fi ñu ko war a demul fi ñu ko war a yóbbu. Hmm. mooy lan tey jii nii dafa jot Sénégal am benn rupture bu métti. booy manam lan jubbanti bi yenn saa sax dina laaj dam pour tabaxaat. d' ça veut dire quoi dama lay dag foofu rek ñoo ñi ñew parce que wax nga ko. <laughs> je crois que kep kuy sénégalais d'accord nga pour reddition des comptes kep ku ñu dénk alalu réew mi soo paree war nañu saytu nak ko yoré je suis d'accord accord tu es d' mais la façon biñ ko défé ana rupture rupture nekku ci parce que ki ñi ñëk a épinglé bokk ci ci ben rapport muy conseil économique social environnemental elle s'appelle appelle Mimi Touré Diomaye daf ko jël daf ko haut représentant ci wétam qui rapport épinglé woon ci Macky Sall muy Mary Teuw de 11 milliards ba tey l'air leeragul Macky Sall teg ci kuddam Diomaye daf ko def directeur de cabinet est-ce que tey mën nañu gëm reddition des comptes ou bien règlement des comptes parce que soo ma est pôle judiciaire financier Macky Sall moo ko fi teg Diomaye installé magistrat liñ ci je gis maanaam mooy communication bi ngeen jiital un premier ministre boo xamante ni mi ngi bokk ci exécutif ñu séparation du pouvoir les places judiciaires, il wax moom moo dem bay cité ay nit yu ñu c'était une interdiction de territoire illégalement wax ma fofu rupture. le président Ousmane Sonko. a donné des noms. Ousmane Sonko Motok, point de presse jàkkaarloog les éléments de primature ne ñeent daw nañ ci ñu ci des ñëpp man maa ne bu ñu génn mu cité ñeent ñu génn ñooñu te ñeent ñooñu ñu. mais si mi ci place publique mi ci place publique kan lañ ci njëkk interdire interdit de

alors dans en tant qu'un enseignant <laughs> en tant qu'un chrétien bu ñemee dëgg jël politique teg ko fële mhm. yow tey su ma di la corrompre mhm. le corrompu et le corrupteur la ban atte moo am ci alors euh, est-ce que enquête est jeex ah? est-ce que enquête est enquête balaa mën non, nangul ma dara comment un corrupteur peut porter plainte comment un corrupteur peut porter plainte je ñëw donne un cas Mezzo Diata, fii la ñu fekk 2000 jël pour permis mooy Mezzo Diatta corrupteur

duma fay impôt. voilà. joxu ko ko de. même ma ñëw rek on verra. voilà on verra non waxal histoire on verra xam nga yaa euh, euh, euh, je pense que j'ai pas encore cité de nom. voilà et je vais continuer dans cette lancée là dama mhm. euh président expert One expert mais c'est pas un nom c'est un titre. Ouais. c'est un titre alors alors il donne au directeur de la Lonas mhm. moom lan lan mo taxone ñu ce n'était pas pour l'acte de corruption. Mhm. principalement. Non, c'est pour euh, euh, ñu euh, comment c'est pas encore c'est détournement de deniers publics là aussi. Le fait de ne pas payer des impôts. En expliquant, il dit. En expliquant. Xbet. C'est le patron juriste de. Alors, il dit. Il dit que. Qui l'a rendu Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Il y a eu une banalisation de la gestion des deniers publics. Ça veut dire quoi su fekkente ne Lonase ak Xbet dañoo am contrat war nañ xam ne du Lonase la ñuy fay ay impôts mais trésor public wala voilà euh, ministère des finances. effectivement je suis d'accord ce n'est pas alors ça veut dire quoi. man non, ma ñëw non non je man en tant que directeur mais ma ñëw s'il te plaît. mais li nga wax baaxul moi de venir permets-moi de venir en tant que directeur. Mhm. qu'est-ce qui peut justifier le versement d'une somme qu'est-ce qui peut justifier le versement d'une somme Est-ce que sur le contrat J'y vais, j'ai dit. est-ce que sur le contrat, mm. il a été stipulé qu'en que en fin mm. d'exercice, euh, entreprise XBET avoir verser 3% mm-hmm. de son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est écrit mm-hmm. comme quoi avoir verser 3% Ça veut dire quoi En tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire d'une entreprise publique. Le devoir du directeur, c'est de faire respecter l'orthodoxie des finances publiques. C'est ça le problème. ça dit quoi On n'a pas. Est-ce que Ganek, tu non, poses des questions jusqu'à présent Je ne suis pas dans des, dans est-ce que, Je suis dans des principes. Est-ce que, est-ce que Non, je, dis suis, une chose. je suis dans des principes. One c'est une société de jeu de hasard. Lonase moo coiffé de jeu de hasard ici ci Sénégal képp ku am jeu de hasard booy def da ngay partenariat pour xamante ni chiffres chiffre d'affaires de retourner vers Lonase c'est partout dans les pays pour te dire que j'ai négocié un contrat au Cameroun avec la loterie nationale sénégal camerounaise une une société le pourcentage la bi ça n'a rien à voir avec l'impôt que nga war versé, Il faut ji fële nga xamante trésor public donc 1xBet li a def ak Lonase c'est quelque chose que ñu reverser sur l'ONAS. mu vais bokk encore ci budget fonctionnement Onase Le budget fonctionnement parrainage boobu su dee gisuñu ci dara lu épinglé donc 3 yoy fi mu wara jaar jaar alors ça dire il faut pas manipuler indi ko ci walu impôt mom mo fokk té warul ndax té ku dem ba ubbi woon Xbet xam nga lan moy compte close mais parfois Sénégal aussi ñoo doon exonéré yenn société yi suñ fi excès ce qui est différent li nga xamante moy l'autorité nationale il faut que ça soit clair bu fekkente né monsieur Tandian yow ya xamné li ngay reverser entreprise euh, de loterie du Cameroun. beaucoup ak. impôt mais c'est ce qui se passe ici. Madame, lan bëgg confusion de genre. alors même attends le problème c'est que. le problème c'est que euh, l'argent reversé. même ma même même euh, hmm. tu remettais ça à l'institution. l'autorité du tu poche le directeur. non non non c'est pour maintenant si si cette personne là se permet de dire. parce que apparemment c'est différent. parce que mon monde dafa japonais d'accord d'accord le le directeur. il en a profité. pour s'enrichir ou bien pour acheter des biens. Ça veut dire quoi Il y a confusion de poche, confusion de patrimoine. Sans preuve. Alors, on verra on verra une maison qui aurait appartenu au directeur à Grenoble. et là amoo à à mon papier à dara. et là des accusations banales Le même état bu sérieux nga a da ngay woote rupture nga cité. téye nit. bërki démb bi ñu jàppee seen premier ministre di leader passif da ngeen ne mun leen nit sans preuve donc y' a pas de rupture. monsieur Ndong vous êtes instituteur on parle pour les Sénégalais quand même. alors je dis. mais je vous permets quand même de continuer. non mais je suis pas d'accord avec euh, votre euh, ce n'est pas parce que vous me permettez de continuer. mais c'est parce que l'enquête suit son cours mais le excusez-moi dañ ko war a jàpp non parce que euh, y aura il y aura confrontation. mais avant confrontation mais mais monsieur Ndong. mais c'est une procédure mënu ma mënu ma la corrompre man ma ñëw corrompre la ba pare yow ñu jàppale garde à vue man may doxi sama soxla. alors ñaar ñëppay nekkuloo garde à vie, ba confrontation am wala kon suñ ko auditionné ñu bàyyi ko mu ñibbi këram ba auditionné ba confrontation am ñu jàppaleen donc ce qui est que vous règlement de compte la wala acharnement. alors est-ce que vous savez que vous acharnez quand même. est-ce que vous savez que. Euh, non paiement impôt boobu rek warona tax ñu le président le président de XBET. mais j'ai d'accord. non rek ba euh, je dis. Euh, par principe. se fait seulement. war na tax ñu tout le monde est d'accord sur ça. alors ça veut dire quoi bu mu ñu def ko interdiction de territoire lolu moy firnde kan nga war interdire moy ki yoral Sénégal impôt waru koo ko fay ki yor feebar wala ki yoral douane ba mu bëggee génn dëkk bi dañ ko def interdiction de sortie de territoire takal ko bracelet muy négocier pour nu koy fayé lolu kay ñëpp ci d'accord mais directeur Lonase bi ngeen jàpp du yoon et donc et donc xam nga. Hmm. y a eu une procédure. Euh, les finances publiques c'est un objectif. c'est de recouvrir. les fonds. ce n'est pas principalement technique. vous êtes d'accord avec moi alors de ce fait si à travers boobu procédure mu am ay ramifications yu yóbbu ci une somme de cinq milliards mon grand c'est à élucider dañ ko war a leeral d'accord maanaam tey euh, xam nga fe euh, tëgg bi amagul daaneel ñu ngi ci ba moi je pense que lii ñu war a li ñu war xaar moo nekk lan Hmm. alors que on a dit qu'il y a eu des captures d'écran des voilà conversations hmm. euh, dans ce sens hmm. yi y a eu ben link euh, je pense que actuellement vous allez voir que Koumouna Diap est directeur Et cadre ministère des finances ce n'est pas un directeur d'une entreprise privée qui va causer un obstacle ça veut dire quoi cette précipitation inutile moi je pense que Jaroukofi, euh, soyons rassurés il y aura reddition des comptes. D'accord.